Bonsoir à tous, 18h passées de 16 minutes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce forum de la presse. Comme chaque vendredi, nous recevons des confrères pour discuter des faits ayant marqué la semaine. Ce soir, l'un des points clés du forum, c'est ce comité mis en place par le ministère de la Communication en vue de procéder à une relecture des textes sur la communication. Un comité qui, au départ, n'avait pas pris en compte les représentants des médias. Et puis le week-end passé, vous vous souviendrez de la tenue de la marche organisée par certaines organisations de la société civile et des partis politiques de l'opposition. Nous allons y revenir ce soir sur les points forts et les points faibles de cette marche ainsi que son impact dans la vie quotidienne des populations. Un autre mouvement historique, c'est la commémoration des événements du 9 février 1990 qui a, qui a eu lieu hier. Nous allons revenir sur le bilan des 27 ans de lutte de l'Union des scolaires nigériens pour que justice soit rendue à leurs camarades tombés lors de la marche de 1990. Enfin, nous nous, intéresserons au sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel tenu à Bamako au Mali, Nouveauté et Angers. Avec nous au studio, Gary Amadou, journaliste du journal L'événement. Bonsoir Gary. Bonsoir. Merci d'être venu. Murtala Mamadou, journaliste du journal La Griffe. Bonsoir Murtala. Bonsoir Alassane et enfin Jafar Maman du journal L'Indépendant. Bonsoir Jafar. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme du studio Kalangu. Nous ouvrons ce forum euh, sur cette affaire de comité de relecture des textes relatifs à la communication mise en place par le ministère en charge de la communication. Ce comité est composé de six membres à l'exception des représentants des médias au départ. À travers un communiqué en date du 4 février, la maison de la presse a réagi en dénonçant ce qu'elle a appelé, je cite, un complot visant à remettre en cause les acquis obtenus de longues luttes pour la liberté de la presse et en rejetant dans sa forme le comité mis en place par le ministère de la Communication. Ce dernier décide de revoir sa copie en invitant la maison de la presse à se joindre au comité. Ainsi, deux de ses membres plus un journaliste indépendant se sont joints au comité en question. Ils ont d'ores et déjà fini les modifications nécessaires. Je vous propose euh, pour l'instant de suivre les explications du vice-président de la maison de la presse, Ado Ouada. et a pris aux travaux du comité. On a apporté beaucoup de changements dans le sens de l'amélioration de la qualité de notre profession, dans le sens aussi de rendre plus fiable et puis apporter quelques correctifs par rapport même aux entreprises de presse. Il y a aussi la question de la loi 035. Déjà, au forum du CSC, le 25e anniversaire, les gens ont recommandé de retoucher cette loi parce qu'il y a toujours beaucoup de confusion autour de cette loi. À cette occasion, on a eu avec les juristes, les représentants des médias, comment il faut cadrer cette loi. Il ne faut pas que ce soit encore une loi qui porte beaucoup d'ambiguïté par rapport à son exercice. La loi, elle va passer au conseil du cabinet, elle va être traitée au niveau du gouvernement et elle sera transmise euh, au dernier ressort à l'Assemblée nationale qui va étudier et voir le contexte de cette loi. Et si l'Assemblée l'adopte, c'est la mise en application qui va suivre. On a beaucoup d'espoir là-dessus parce que nous, vraiment, on a fait tout le contour de ce qui préoccupe la presse, la profession du journalisme, les entreprises des journalistes. Ado Wada, vice-président de la Maison de la Presse, à propos recueillis par euh, Moussa Hassan. Je me tourne vers vous, Gare Amadou. Euh, je vais vous demander d'abord quelle appréciation vous faites de la décision du ministère de la Communication qui, au départ, a exclu la Maison de la Presse euh, sur cette question de relecture avant de décider euh, de l'associer par la, par la suite. Oui, on ne va pas continuer la polémique, mais il faut dire que dans un premier temps, quand j'avais vu la mise en place de ce comité-là et que j'ai vu que la maison de la presse pas, ne faisait pas partie, j'avais trouvé ça extrêmement suspect je l'ai lu sur d'autres plateaux de télévision, c'était suspect parce que on sait qu'il y a des velléités de remise en cause des acquis en matière de liberté de la presse. Donc, dès qu'on voit un comité eh, eh, qui est créé par le gouvernement, donc c'est des cadres de l'administration qui sont composés, qui, la composent et qui doivent décider, enfin qui doivent apporter des changements à des textes qui concernent les médias et qu'on ne voit pas les principaux concernés dedans, donc forcément il y a de l'inquiétude à se faire. Heureusement, les gens sont revenus à de meilleurs sentiments. La maison de la presse a été incluse dans le comité et le travail a été fait. Et il y a eu plus de peur que de mal parce que les, grands textes, en tout cas les grands acquis, n'ont pas été remis en cause. Et même il y a eu une amélioration parce que là, avec ce changement-là qui a été apporté, c'est pratiquement euh, la garde à vue qui va, qui va sauter. Vous savez que par le passé, les journalistes qui étaient inquiétés étaient pratiquement, qui étaient pris par la police, étaient gardés à vue. Je crois que la modification qui a été apportée va permettre de mettre fin à cela. Et ce n'est qu'une première étape qu'on l'a dit à Douada. Il faut passer par le gouvernement, ensuite à l'Assemblée nationale. Et je vous dis que ça ne sera pas une partie facile au niveau de l'Assemblée nationale. Euh, Murtala Mamadou du journal La Griffe. Bien, euh, moi j'ai d'abord trouvé ça scandaleux parce que que de voir un comité qui va se pencher sur des textes euh, se régissant la communication et les métiers de, journalistes dans ce pays et qui n'associe euh, de près ni de loin d'ailleurs euh, euh, les hommes de médias. bien, par la suite, les choses se sont un peu améliorées, mais il a fallu se communiquer de la Maison de la Presse, qui est l'organisation fédératrice des, associations, organisations de socioprofessionnelles des médias. le comité a fait son travail, oui, pour l'instant, comme l'a dit Gary, il y a plus de peur que de mal. Mais l'inquiétude de tous ceux qui, qui, qui, s'offusquent de voir ces textes remis, remis en cause ou bien revisés ou rélus, c'est plutôt au niveau des décisions politiques, au niveau de l'appareil et de la décision finale, que ce soit peut-être au niveau du gouvernement quand ça va transiter, mais aussi, surtout au niveau du Parlement, euh, qui va donner euh, euh, la, touche finale à ces textes-là. C'est à ces niveaux que beaucoup de journalistes, moi y compris, sont inquiets de voir que nous remettons notre avenir, notre destinée entre les mains des acteurs politiques qui D'ailleurs, pour certains, ne s'en cachent pas, sont contre beaucoup d'avancées que, nous avons obtenues. Est-ce que vous craignez que des modifications puissent être apportées à ce niveau qui remettent en cause ce qui a été... Oui, bien évidemment. C'est pour ça que je le dis, parce qu'il y a des acteurs politiques qui l'ont dit ouvertement qu'ils sont contre certaines avancées et que peut-être aujourd'hui qu'ils ont l'occasion de les remettre en cause, peut-être qu'ils le feront. Oui, on a été associé dans le comité, mais est-ce que nous avons la possibilité de pouvoir euh, euh, exercer ce contrôle au niveau du du gouvernement ou du parlement Je ne pense pas. Et Jafar Maman, du journal indépendant, votre point de vue par rapport à cette relecture des textes Oui, je pense que, comme ils l'ont tous dit, c'est une maladresse qui a été euh, euh, par la vigilance des associations socio-professionnelles de médias, a été très vite corrigée. Et je pense que c'est cette vigilance-là qu'il nous faut pour voir la suite. Nous sommes à plusieurs séquences, si on peut le dire. Il y a euh, le comité qui a fait un travail, euh, il y a la partie euh, gouvernementale qui doit faire un travail et il y a la partie législative qui doit faire un autre travail. Et je pense qu'il y a plus d'inquiétude du côté du législatif, puisque c'est là où il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup de velléité. Et je pense que le plus important, il ne s'agit pas de se satisfaire de l'implication de la maison de la presse, euh, de, euh, dans ce travail. Mais euh, je pense que c'est maintenant qu'il faut qu'il devrait y avoir une sorte de pour que qu'il n'y ait pas une sorte de tricherie parce que on sait que le texte sur l'ordonnance 035 de 2010 portant liberté de la presse liberté de la presse et particulièrement la, la question de la dépénalisation euh, dérange beaucoup de, des acteurs politiques. Ça veut dire que euh, si on ne euh, met pas plus de vigilance, on risque de, se prendre en dépourvu. Et là, je pense que ça, ça, risque d'être fatal pour la liberté d'expression, pour la liberté de la presse. Parce que vous savez bien qu'on on a fait un bilan cette année. Après six ans de mise en œuvre de, cette ordonnance, on s'est rendu compte qu'il y a des velléités de trichement euh, deux fois euh, autorisés par, par nos juridictions, deux fois tout simplement des tricheries euh, à vocation d'intimider les journalistes. Ça veut dire que le, le travail qu'il y a à partir de ce moment-là, on doit être vigilant. Toutes les associations devront être vigilantes pour que qu'on aille jusqu'au bout et qu'on ait un texte tu sortiras de, l'Assemblée avec les préoccupations des journalistes. Entre autres propositions déjà qui, qui, circulent dans, cette révision, notamment euh, la question de, la dépénalisation, il y a euh, cette proposition que la garde à vue euh, et la détention préventive soient interdites. Est-ce que vous craignez que pendant le circuit qui reste à, faire pour ces textes au niveau du gouvernement, au niveau de législatif, que euh, Cela la puce n'est pas facile. oui, c'est-à-dire que, euh, en tout cas. Euh, Garé du journal L'événement. Voilà, nous, en tout cas, nous sommes, comme l'a dit nous sommes en, en, position de veille. C'est-à-dire que nous nous méfions beaucoup. Parce que le texte, eux, les techniciens, ils ont fait le travail avec la maison de la presse, ils ont donné ça au gouvernement. Je crois que le gouvernement peut chercher à amender le texte ou à apporter des modifications avant de le transmettre à l'Assemblée je pense qu'il faut faire extrêmement attention parce qu'il y a des acquis sur lesquels il ne faut pas revenir. Parce que déjà, le, Niger est en train de régresser dans le cadre du classement de Reporters sans frontières. Il ne faut pas que le Niger dégringole complètement et qu'il tombe dans les abîmes, n'est-ce pas, des pays les plus liberticides en matière de, promotion de la liberté de la presse. Donc, il faut faire extrêmement attention. Ce que je, propose à la maison de la presse, c'est vraiment le texte qui va être transmis au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut que la maison de la presse puisse, en tout cas, je ne sais pas par quel moyen, avoir accès à ce texte-là, qu'il puisse le lire pour voir le contenu. Est-ce que le travail qu'ils ont fait au sein de ce comité-là, est-ce que c'est le même travail qui a été transmis à l'Assemblée nationale ou bien des cadres de, l'État au niveau du gouvernement ont apporté des modifications qui vont permettre de remettre en cause Je vous dis, les hommes politiques n'aiment pas, les hommes politiques ont, pratiquement une certaine... Parce que c'est des gens qui sont tellement fourbes que bon, euh, ils n'aiment pas, ils n'aiment pas que la presse, la presse fasse son travail et les critiques. Et donc, ce sont des gens qui sont pratiquement réfractaires à la dépénalisation. Certains ne s'en cachent pas, et le disent ouvertement. Donc il faut faire attention. Le texte qui va être enseigné à l'Assemblée nationale, moi je pense que l'Assemblée nationale a une grande responsabilité. Il ne faut pas que cette Assemblée nationale-là, puisque ce sont des élus du peuple qui sont là-bas, qu'ils ne soient pas euh, ces élus du peuple-là qui vont mettre un frein à la liberté de la presse ou qui vont pratiquement la tuer. Donc il y a une vigilance à maintenir. Mortala Mamadou, il y a une vigilance à tenir, vous pensez oui, forcément, il faut être vigilant sur ces aspects et surtout que, euh, vu les contextes qui viennent, qui été évoqué d'ailleurs par tous mes prédécesseurs, mais surtout, moi, je pense que euh, au niveau du gouvernement, c'est surtout à ce niveau qu'il faille que les organisations et les journalistes, d'ailleurs, de façon individuelle, doivent essayer d'être beaucoup plus vigilants parce que euh, il y a une réalité dans ce pays, les textes transmis par le gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale, la plupart du temps passent comme lettre à la poste. Donc, si une modification modification qui, fait, euh, qui, qui, porte atteinte à cette liberté qui a été acquise, qui a été accordée par l'ordonnance 035-2010, a été, s'il y a une de ces modifications, qui va arriver dans le texte de la mouture qui va parvenir au Parlement, euh, moi je suis, je suis prêt à parier que ça va passer sans aucun incident. Mais si nous devons, euh, si nous devons être vigilants, c'est plutôt surtout au niveau de, du passage de ce texte au niveau du gouvernement. alors d'accord, je vous propose qu'on passe à un autre sujet, notamment euh, la marche qui a eu lieu le samedi 4 février 2017, vous vous rappelez, où plusieurs organisations de la société civile ont euh, organisé une marche suivie de meetings des militants des partis politiques de l'opposition et ceux des non-affiliés ont également pris part à cette marche. Objectif dénoncer ce qu'ils ont appelé, je cite, la mauvaise gouvernance euh, du régime actuel, fin de citation, non au pillage des ressources, non aux coupures intempestives de l'électricité, ensemble sauvons le Niger. Ce sont là, entre autres, slogans scandés par les manifestants. Euh, je m'en vais vers vous, euh, Jafar Maman du journal L'Indépendant. Alors, quelle est la première lecture que vous faites euh, de, cette marche du 4 février dernier la première lecture, je pense que ça a fait l'objet de, de, permettez-moi cette petite publicité, ça a fait l'objet d'une une de la une du, journal l'indépendant quand je disais après la réplique des partis politiques de la majorité au pouvoir, quand, moi je trouvais en ça un retour aux, normes démocratiques, quand c'est à travers la rue, à, retournant vers les citoyens, que chaque camp essaye de se faire entendre, que chaque camp s'explique par rapport à ses revendications pour les, acteurs de la société civile et les partis qui, les ont accompagnés, et par rapport à ce que le régime eh, eh, tente de faire pour prendre, juguler certaines, euh, certaines préoccupations de l'air, euh, des citoyens du côté de la majorité, je me suis dit, eh bien, ça marche très bien parce que là, c'est la démocratie qui s'exprime et on retourne vers les citoyens. C'est une sorte de démocratie euh, à la base, participative. Mais euh, euh néanmoins, on, peut regretter certains, certains propos, certains comportements qui rompent avec le principe de, de de la liberté d'expression, mais on peut dire que c'est un exercice démocratique. Est-ce que vous pensez que oui Ce qu'il faut entendre par là, c'est euh, de voir avec un peu de recul les revendications euh, euh, exposées par le, manifestant et de voir l'opportunité de ces revendications et de voir qu'est-ce que l'État ou du moins le gouvernement répond par rapport à ces questions-là. Et on sent que c'est des préoccupations, quand vous le regardez dans l'ensemble de première vue, c'est des revendications euh, euh, légitimes, c'est des préoccupations des citoyens que chacun dans sa petite sphère euh, sociale et familiale ou administrative euh, ne cesse de, de dénoncer. Euh, que qu'on ait un cadre où ces, ces, préoccupations sont prises en charge par les acteurs de la société civile, c'est déjà bien. Maintenant, euh, euh ce devoir euh, l'opportunité de les revendiquer. Qu'est-ce que répond le gouvernement et par quelle euh, stratégie Je pense que c'est là que tu dois nous intéresser. Est-ce que vous pensez que la marche, cette marche a réussi ou pas euh, elle a réussi. Je pense qu'une marche, lorsque vous la, on, vous laisse organiser votre marche, vous dénoncez le, le média relais, c'est déjà réussi même si c'est une seule personne qui manifeste et qui arrive à communiquer sur les préoccupations qu'il semble légitime à résoudre, je pense que c'est déjà une réussite. Donc le débat, moi je le trouve très simpliste de dire une marche à réussir ou pas. Est-ce que ce qu'on défend et, euh, qu'on défend là sont des problèmes, oui ou non. Ou non. Euh, Mamadou du journal La Griffe, vous, à votre niveau, au niveau du journal La Griffe, euh, quelle est euh, la lecture que vous avez faite de, cette marche euh, je tiens à préciser que mes opinions que je, je jamais ici n'engagent que moi, d'accord. <laughs> Euh, ce n'est pas véritablement. Il peut y avoir des décalages par rapport à la ligne du, journal que, pour lequel je travaille. sur cette marche, je trouve que d'abord, il faut saluer que l'exercice aient été libre et autorisé cette fois-ci. Ça n'a pas toujours été le cas, ce qui est bien pour la, euh, démocratie. Euh, mais je suis peut-être pas d'accord avec Jafar sur un point, euh, celui du retour à la base. Si à chaque fois que nous, avons des difficultés, on doit retourner à la rue, on, on, va se trouver dans une situation où c'est la rue qui va prendre le dessus. Et quand la rue prend le dessus, c'est le désordre qui s'installe. Ce n'est pas intéressant pour un pays. de l'autre côté, pour voir les préoccupations qui sont avancées pour pour pouvoir euh, mobiliser la population pour participer à cette manifestation. Oui, je dis, d'accord, tant mieux qu'il y ait des structures qui s'en occupent, c'est déjà bien. Mais je trouve que ces organisations, euh, on l'a vu, si on prend comme baromètre la participation à cette manifestation euh, par rapport à la dernière qui a été organisée en fin de l'année 2016, le 21 décembre précisément, je trouve que cette participation a été moindre. Donc quelque part, ces, organisations doivent aussi peut-être se remettre en cause pour voir, essayer de trouver peut-être une autre méthode parce que celle-ci euh, a toujours usé de la marche, elle va finir par s'user et quand elle s'use, euh, euh, le mouvement va s'effriter. Gary Amadou du journal L'événement, c'est votre lecture. On constate donc une usure au niveau de, de, la marche de la société civile. Oui, mais enfin, vous savez, les gens se fatiguent. Vous comprenez Et surtout, comme je l'ai dit, les masques tombent. On sait que, on sait que euh, ce n'est pas c'est un secret de pollutionnel. Il y a des acteurs de la société civile qui mangent à la table de certains hommes politiques. Il y a certains acteurs de la société civile qui font de la politique, en fait, qui se cachent sous le manteau de cette euh, activité de la société civile pour faire un combat politique pour leur, pour leur poulet. Mais mais ce n'est pas ça qui est important. Parce que moi, je pense que le plus dangereux dans une société, c'est une société qui n'exprime pas son mécontentement. Je pense que l'essentiel, c'est que, comme l'a dit Jaharou, ce n'est pas la masse qui fait, qui fait non. Si moi, aujourd'hui, je décide que je veux faire une, manifestation, je vais aller à la place de la concertation, je demande au maire que je vais aller à la place de la concertation brandir une pancarte. Si le maire me laisse et que je brandis ma pancarte, les passants qui passent dans la voiture voient cette pancarte, c'est une réussite pour moi, ma manifestation. Donc, c'est pas le nombre. C'est le fait que cette manifestation a eu lieu et que la société civile a pu exprimer son mécontentement. Et le plus important, c'est pour le gouvernement de prendre le mémorandum, parce qu'ils ont transmis un mémorandum, de prendre ce mémorandum, de l'analyser, de voir ce qui peut être fait, en tout cas, et donner le bon signe à la société civile. Maintenant, euh, je pense que la, balle est dans le camp du gouvernement, mais ce qui, ce qui m'inquiète, c'est que la société civile encore dit qu'elle va faire une autre marche ce qui est complètement bizarre. C'est plutôt, plutôt la majorité et l'opposition, non Qui projette de marcher le 25 Non, même la société civile dit qu'elle va faire une autre marche. Ce qui est complètement bizarre parce qu'à partir du moment où vous transmettez un mémorandum, vous attendez de voir la réponse qui va être faite. Non, non, j'ai l'impression qu'il y a un chronogramme qui est préparé et ça, je trouve ça extrêmement suspect. Je trouve les intentions assez malsaines. J'espère que je me trompe. Mais donc, j'ai dit, vous avez transmis un mémorandum au gouvernement, attendez de voir ce qui va être fait, à donner un temps au gouvernement pour lire le mémorandum avec ses cadres, pouvoir l'analyser et voir ce qui peut être fait dans le cadre de la politique gouvernementale. Ce n'est pas que le gouvernement va répondre eh, à la société civile, mais dans le cadre de son activité eh, régalienne, le gouvernement va essayer de mettre en place des politiques qui vont permettre de répondre aux aspirations de la société civile. Alors, Jafar, vous voulez réagir Oui, oui, Parlant de, euh, je parlais tout juste d'un exercice démocratique, euh, euh, Murtala. C'est tout juste pour dire que euh, il y a peu, les, manifestations sont interdites deux fois sous un prétexte fallacieux. On prétend une insécurité et on laisse à d'autres le champ de manifester. Et que si le gouvernement aujourd'hui a compris que la meilleure façon, c'est de laisser les citoyens s'exprimer et que par la suite, nous aussi, en tant que citoyens, on descend dans la rue, malgré notre robe de, de, des ministres, des DG, des conseillers à la présidence, on décide, on, considère que euh, au lieu de s'accaparer des médias d'État, il faut descendre dans la rue, comme l'autre qui n'est pas au pouvoir. Moi, c'est ça que je saluais, parce qu'il y a peu, ça, ça, ça ce n'était pas possible. Maintenant, ce qu'il faut, euh, comme l'a dit Garé, c'est euh, l'enchaînement de ces marches-là. On a comme l'impression que il, faut, c'est pour cela que j'ai dit, il faut un peu du recul pour analyser ces euh, ce mouvement. En dehors de, de, la plateforme qu'on revendique, euh, des problèmes qu'on dénonce, il faut voir maintenant l'enchaînement, la stratégie à travers laquelle on veut s'exprimer sur le long terme. Est-ce que ces manifestations. Est-ce que, sur le long terme, si on se dit chaque semaine il faut manifester, c'est un choix euh, pour ces acteurs-là, mais à quelle fin et c'est là où euh, Murtala a parfaitement raison de constater qu'il y a une certaine dégradation d'engagement de, de, de, de, manifestants à sortir et à suivre. Et on risquerait à, sur le long terme de, même euh, euh, dénaturer et dévaloriser la manifestation en, en, la faisant pratiquement chaque semaine. Murtala, du journal La Griffe, oui, je ne peux que compléter peut-être ce que vient de dire Jafar sur cette question. Euh, à, force de manifester peut-être à tous les coups, est-ce euh, qu'il faut... essouffler Faut changer, est-ce qu'il faut changer de stratégie Est-ce que, vous... est-ce que c'est avec, à travers ces marches, les revendications posées euh, trouveront euh, des réponses. Non, pas forcément. De mon point de vue, il faut changer une stratégie, il faut adopter une stratégie qui va peut-être alterner différentes façons de se faire entendre, y compris peut-être les manifestations, mais pas que les manifestations. Garamadou Oui, je pense que, je pense que le, plus, important, j'ai dit, il ne faut pas que les manifestations tombent dans la banalité. Parce que c'est ça que, oui, c'est ça que veut dire. C'est-à-dire, quand ça devient pratiquement chaque semaine on marche, chaque week-end on marche, ça devient banal. C'est-à-dire que, à un certain moment, les gens ne suivent même plus les médias. Dès qu'ils voient une manifestation, ils vont se demander d'abord c'est laquelle. On dit, ah, c'est celle du week-end. Ah, bon, c'est pas celle qui s'est passée l'autre week-end. Bon, donc les gens, il y a une lassitude. Il faut faire attention. Vous allez transmettre un mémorandum. Attendez de voir euh, la réponse que le gouvernement va vous donner. Puisque le gouvernement a accepté de prendre ce mémorandum-là. Donc, déjà, ça, ce que dit est extrêmement important. La démocratie est en train de s'exprimer. Les gens sont en train de, marcher et d'exprimer leur mécontentement. Et le gouvernement joue le jeu en prenant le mémorandum qu'on lui transmet pour dire qu'il va l'analyser. C'est ça qui est extrêmement important dans notre démocratie, la vitalité il faut que les gens. Euh, hier, on hier, discutait avec l'un des acteurs euh, de la société civile qui ont organisé cette marche et ils, disent qu'en fait, comme on les avait interdits de. Ils n'avaient pas accès à arriver aux, mhm. autorités pour pouvoir leur remettre euh, les revendications. Mhm. Oui, ils mais, le gouvernement a raison. Quand même, vous savez que le, la, euh, le secteur de la primature et de la présence est un secteur ultra sécurisé. Comment voulez-vous, si ce n'est pas de l'inconscience de la part de ces acteurs de la société civile, voulez-vous faire marcher des gens et les amener vers la, vers la primature, un endroit ultra sécurisé, les amener pour, pour donner un mémorandum au Premier ministre. Ce qu'ils ont prévu, ce n'était pas ça. Dès la marche du 21 décembre, ce qu'ils ont prévu, c'est qu'ils allaient rester à l'hôpital. Le Premier ministre va sortir de son bureau venir au niveau de l'hôpital prendre le mémorandum Vous êtes sûr que c'est ça qu'ils voulaient qui, Non, c'est ça qui était le premier plan. Non, donc soyons sérieux. Je pense que c'est plus, c'est plus raisonnable comme ça. D'abord, on préserve des vies parce que c'est un endroit ultra sécurisé et des débordements ne sont pas impossibles. Parce qu'on ne peut pas maîtriser tout le monde. Il peut y avoir des débordements, il peut y avoir des coups de feu. Je pense que la meilleure solution, c'est ce qu'ils ont fait là. Ils ont fait, ils ont envoyé quelqu'un transmettre un mémorandum, point très attendant de voir ce que le gouvernement va faire. Et j'espère que le gouvernement va donner des réponses, et en tout cas euh, des, signaux encourageants à ces acteurs de la société civile. là. Passons euh, à, présent à, notre suivant sujet. C'est l'Union des scolaires nigériens qui a commémoré hier, vous vous souviendrez, le 27e anniversaire des tragiques événements historiques du 9 février 1990 qui ont vu la mort de trois étudiants. Nous allons suivre ce reportage réalisé par notre reporter Tarnan Foudé Ahmed qui était sur place hier. 9 février, justice, tous unis, la Les scolaires nigériens plairent encore leur martyr et réclament justice. Ce matin, ils ont organisé une marche pour commémorer les événements tragiques du 9 février 90. Parmi eux, Amadou Boukari, 19 ans, il n'était pas encore né au moment des faits. Il demande que justice soit rendue et exige de bonnes conditions d'études. Chaque 9 février, nous embrassons la route pour venir ici pour réclamer justice à l'endroit de nos camarades qui se sont sacrifiés. En dehors de la justice, nous demandons à ce qu'on met les étudiants, les élèves, en tout cas de leurs droits, créer une éducation de qualité et, en tout cas de tout ce qui est positif. 27 ans après l'assassinat de Maman Sagir, Issa Kakene et Ali Onahanti, l'Union des scolaires nigériens ISN ne compte pas baisser les bras et promet de continuer la lutte, comme l'explique Hussein Hamani, le secrétaire chargé à la presse de l'ISN. 27 ans sans justice, 27 ans de tristesse et de peine. On attend beaucoup à ce que la justice soit faite par rapport à cette question, bien que nous avons vu hein, le Premier ministre qui nous a orienté vers le ministre de la Justice, mais jusqu'à rien n'a été fait. Nous n'entendons plus faire concession par rapport à nos revendications. Pour la commémoration de ce 27e anniversaire, l'ISN organise les activités culturelles, des conférences et débats durant toute la semaine. Il est aussi prévu un don de sang au Centre national de transfusion sanguine. Alors, vous venez là donc de suivre ce reportage réalisé hier à l'occasion de la commémoration du 9 février 1990. Alors, vous avez euh, suivi avec nous que tout le monde euh, réclame justice depuis 27 ans. Alors, euh, Murtala Mamadou du journal La Griffe, est-ce que vous pensez que la justice est possible oui, la justice, elle est toujours possible, quel que soit le temps qui, passe. Mais la question de, de reste de savoir, est-ce que on a la volonté euh, de rendre justice à ces personnes qui ont perdu la vie Ou bien de l'autre côté, est-ce que l'USN a toujours la même vigueur, la même force pour pouvoir exiger que justice soit faite euh, de l'autre côté, euh, je pense que ça sont des interrogations qui restent auxquelles je ne saurais répondre malheureusement. Euh, de l'autre côté aussi, il faut déplorer qu'au niveau de l'Union des scolaires nigériens, au 27 ans après, beaucoup d'eau a coulé sur, sous le pont. la commémoration est devenue un événement festif où je, crois que les dirigeants de, l'Union des scolaires nigériens à cette occasion ont plus tendance à valoriser les revendications sur les conditions et puis d'études, etc que plutôt sur euh, euh, là, euh, le fait que justice soit rendue. c'est qui est normal, non vous, trouvez ça bizarre Non, je trouve que c'est bizarre, le, oui, parce que il faut, vous avez, durant toute l'année, c'est quand même euh, euh, ces revendications des plateformes, etc. Mais aujourd'hui, quand même, le 9 février, ça doit euh, être axé autour de, cette revendication de justice. Justice pour les personnes qui ont perdu leur vie, justice pour leur famille et pour le mouvement dans son ensemble. Mais qu'on relègue ça au second plan, je trouve ça que c'est déplorable mais malheureusement, c'est à quoi nous assistons ces dernières années. Jafar Maman du journal L'Indépendant, 27 ans de lutte pour que justice soit faite. Est-ce que vous pensez, vous croyez à cette justice Est-ce que la lutte, euh, la forme de lutte qui est, euh, qui en train d'être menée est efficace pour arriver à, cette lutte oui, <coughs> mais je pense qu'on euh, est déjà sur la stratégie de lutte au niveau de la société civile. Ça veut dire que c'est un prolongement de, de, cette stratégie et de comment la repenser. Mais à ce niveau, par rapport, à, par rapport au 9 février, je pense qu'il y a des aspects euh, qu'il faut retenir. Lesquels Il y a le premier aspect, c'est euh, l'opportunité de, de, la Lite et sa stratégie. Et je dis qu'on a raté le coche depuis un certain temps. Parce que, <clears throat> étant. Euh, étant d'ailleurs euh, faisant partie de la structure euh, des, étudiants nigériens à l'université de Niamey, dans les années 2001, je pense qu'on a, on a péché dans, la conduite. Parce qu'on a fait de cette revendication, de cette lutte-là, euh, le, justement le propre de, de scolaire. Alors que quand vous voyez, pour faire un, un, retour, un saut en 90, certes, ce sont des, revendications estudiantines, mais à vocation euh, de tout ce qu'on est en train de vivre, la démocratie. Alors, si on a perdu un certain nombre de concitoyens, avant qu'ils ne soient étudiants, ils sont d'abord citoyens nigériens, pour une cause nationale, euh, euh, républicaine, que la démocratie, le combat ne doit pas être le, propre des, scolaires, mais le propre de toute la société nigérienne et surtout de tous les démocrates. Et aujourd'hui, je pense que... si les démocrates, eux, ne s'intéressent pas à, ces questions, c'est d'abord les C'est une question de plaidoyer. Et aujourd'hui, il n'y a pas de raison que euh, les, acteurs, qu'ils soient politiques, ne s'impliquent pas du moment où c'est aujourd'hui qui dirigent. Rappelez-vous, ils, euh, ils étaient de cette manifestation et ils sont aujourd'hui les grands bénéficiaires de résultats de, ces sacrifices-là. Aujourd'hui, nous avons un ministre de la Justice qui, qui rappelez-vous, était sur le terrain là, ce soir, euh, ce, matin-là de 90, du 9 février. Ça veut dire que il fallait changer de stratégie. Comme Murtala l'a dit, si il, faut l'isoler du folklore, des revendications de l'heure et d'abord de, poser comme préalable du 9 février euh, la revendication de la justice. Et aujourd'hui, je pense que euh, euh, les acteurs politiques actuels aux commandes n'ont pas le choix parce qu'ils sont là grâce à ces sacrifices-là. Et si on a fait de ça la préoccupation, à les interpellant que euh, le 9 février, les martyrs-là, ne sont pas que des étudiants, c'est des martyrs républicain parce qu'il défendait une cause républicaine. Nous allons revenir à vous. Excusez-moi de, de, vous interrompre, le temps file. Garé Amadou du journal Indépendance, que c'est votre avis Est-ce que euh, cette revendication de la justice, les étudiants doivent l'isoler de tout le folklore, comme disait euh, Murtala Et Pour cette journée du 9 février, ils doivent mettre en avant que euh, cette revendication de justice oui, vous savez, moi, j'ai l'impression que cette revendication est devenue comme une sorte de décoration euh, à chaque commémoration du 9 février. C'est-à-dire on a l'impression que les structures étudiantes dont la plupart des membres sont nés après. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui ont connu ce moment-là. Vous comprenez Donc, c'est devenu un objet de décoration. Donc, ah, le 9 février, ah on va scander justice, justice. Moi, je pense que l'erreur, c'est même de demander eh, que justice soit faite. Parce que justice soit faite comment D'abord, la plupart des acteurs sont décédés. En tout cas, c'était un régime militaire, décrispation, qui était en description. C'est vrai, mais c'est un régime militaire dont la plupart des membres sont décédés. Vous comprenez Maintenant, moi je pense que l'erreur c'est de demander justice. Non, n'est pas justice qu'il faut. C'est devoir de vérité. Vous comprenez Devoir de vérité. Qu'est-ce qui s'est passé Parce que le policier qui a tiré ou les policiers qui ont tiré, c'est sur des ordres. Donc ce pas pas ça qui va régler le problème. Moi je pense qu'ils ont dit quelque chose d'important lors de cette manifestation. Ils ont dit, étant donné que la famille de Barré a été dédommagée dans le cadre du coup d'État de, 1999, il faut que les familles des trois martyrs de l'USM soit dédommagé. C'est le plus important aujourd'hui. Vous comprenez Parce qu'on sait que des policiers ont tiré à balles réelles, ça c'est un fait. Vous comprenez À défaut de justice, il faut d'abord que les familles de ces personnes-là soient dédommagées. Chaque victime soit dédommagé à, la hauteur du sacrifice qu'elle a fait. Parce que, comme l'a dit Jaharou, ceux qui sont actuellement au pouvoir étaient partis prendre ces manifestations-là. Parce que ce sont ces manifestations-là qui ont amené à réalité la conférence nationale. Ce sont les étudiants qui sont sacrifiés. Donc, je pense que le gouvernement doit prendre cette question de dédommagement-là à deux, bras. C'est ça qui va permettre ce que j'appellerais la réconciliation entre l'USN et la nation et, et l'État, je veux dire pas la nation, et l'État, parce que l'État c'est une continuité donc, je pense que c'est le dédommagement là qui est le plus important aujourd'hui. Alors, restons toujours dans ce chapitre pour signaler que, à l'occasion de, cette journée, une conférence débat a été animée au niveau de, l'USN sur le bilan de 27 ans de lutte euh, qui sont écoulés. Et là, le conférencier Abdelmoumouni Ousmane, qui était ancien dirigeant de l'USN, adresse un bilan mitigé. Ceux qui sont au pouvoir au bénéfice de cette lutte n'ont pas respecté les engagements de l'USN, n'ont pas respecté les sacrifices des martyrs. Et donc, ils ont trahi l'USN et ils ont trahi tous les peuples dans son ensemble parce que le peuple nigérien avait cru que à la sortie de la dictature et de la décrispation, avec la démocratisation, les nouveaux acteurs qui étaient nés au bénéfice de ces mouvements-là, ils allaient travailler pour l'intérêt général et pour le peuple nigérien. Fort malheureusement, ils ont fait pire que ceux qui étaient combattus au niveau de la décrispation, au niveau du parti unique et de la dictature qu'il y avait auparavant. Nous avons demandé effectivement aux camarades de l'USN de s'élever et de faire le porte-flambeau d'une révolution démocratique qui va consacrer les dégagements de tous ces acteurs-là qui malheureusement n'ont pas apporté le bien-être, n'ont fait que s'enrichir et enrichir leur famille et abandonner le peuple à sa misère un commentaire sur, euh, sur ces propos de d'ancien secrétaire général de l'UNUN Ça me réconforte. Moumouni était SG, Mouni était euh, secrétaire général de de l'Union des étudiants nigériens à l'Université de Niamey en 2001. Et avec, euh, et je pense qu'il en a goûté au, au, au aux conséquences plus ou moins désastreuses de la lutte, puisqu'il était emprisonné. Il a fallu qu'il soit même euh, euh, chassé du pays pour ne plus... Euh, par rapport à cette lutte Par rapport à la lutte estudiantine. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, malheureusement, dans ce propos, j'ai je n'ai pas aimé un aspect de dire le scolaire doivent, alors que la société civile dans son ensemble doit s'approprier cette élite-là. Parce que la plupart des acteurs de la société civile aujourd'hui et des acteurs aux commandes du pays étaient du, euh, le 9 février. La revendication, en gros, ne doit pas être que pour les, les, scolaires. Pour les scolaires. Alors, Moutala, c'est votre avis Moutala Mamad du journal euh, la, Griffe, rapidement. Oui, pour ça je lui disais que je disais que l'USN euh, n'a plus cette capacité pour pouvoir elle seule être porteuse de cette revendication. Si aujourd'hui on doit chercher à ce que justice soit faite, ça doit être le combat de tout le monde. Le combat de tout le monde pour que justice soit faite. Non pas qu'il y ait des dommagements comme le pense Gary. Je pense que il faut d'abord rendre justice pour pouvoir euh, euh, euh, laver la mémoire de ces personnes et pouvoir les honorer. Gary, je pense que, risque de me, de, me répéter, ce que j'ai dit, c'est qu'il eh, eh, eh, il ne faut pas trop s'accrocher tout le temps sur le même, sur le même refrain. Ce que j'ai dit, c'est un devoir de vérité, qu'on sache ce qui s'est passé. C'est pas pour condamner quelqu'un pour le dire après 30 ans, après 27 ans, déjà, n'est-ce pas euh, Donc, c'est presque une, sorte de prescription qui ne dit pas son nom, mais le devoir de vérité pour qu'on sache ce qui s'est passé. Qui a donné l'ordre Qui a fait en sorte que les policiers qui étaient sur le champ au niveau du rond-point Kennedy aient, des armes chargées avec des balles réelles Mais c'est tout. Maintenant, Maintenant, j'ai dit, le, plus important, c'est que il faut que. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce n'est même pas un souci pour les partis politiques qui sont en train. Mais c'est pas un souci. Et, pire, ceux que, les acteurs de la société civile qui étaient issus de l'USN de l'époque, sont maintenant les partis politiques et c'est le cadet de leurs soucis. C'est-à-dire que c'est. Euh, alors, 18 heures passées de 53 <laughs> minutes, il nous reste que 7, minutes pour finir. Il nous reste un dernier euh, sujet à, traiter. C'est euh, ce sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement du G5 Sahel qui regroupe le Niger, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie et le Tchad. un sommet qui s'est tenu du 5 au 6 février à Bamako, au Mali. Et à l'issue de cette réunion, les chefs d'État ont soumis euh, un mémorandum de droit de poursuite au-delà des frontières euh, des pays membres. Avec cette entente, les différentes forces des pays membres pourraient donc intervenir au-delà des frontières, selon le ministre des Affaires, euh, le ministre des Affaires étrangères du Burkina. Alors, je m'en vais vous demander quelle est l'appréciation que vous faites de cette coopération militaire. Je vais commencer avec vous, Murtala Mamadou du journal La Griffe. On sait qu'il existe déjà plusieurs forces. Il y a la force mixte multinationale dans le lac Tchad, la force mixte pour la, sécurisation du Liptako Gourma annoncée le 24 janvier dernier et euh, le G5 Sahel. Est-ce que toutes ces forces sont capables de répondre aux, aux défis sécuritaires rapidement. le défi sécuritaire est énorme dans cette zone. Euh, je, crois qu'il a des avancées, oui. Euh, la création de, cette mutualisation de forces est une chose à saluer, mais le fait peut-être qu'il y ait plusieurs forces qui se, sentent pour autant euh, essayer de trouver un commandement unique, va peut-être biaiser le jeu et peut-être remettre en cause un peu, les empêcher d'atteindre les objectifs pour lesquels ils ont été créés. Elles ont été créées ces forces. Et je crois que la mutualisation, d'accord, mais peut-être aller vers un commandement unique de ces différentes forces afin de pouvoir euh, éviter les chevauchements. Gare Amadou, c'est votre point de vue mais, je crois que le sommet a été clair là-dessus, c'est-à-dire qu'il s'agit de créer, concernant le G5 Sahel, une force mixte du type de celui qui est actuellement en activité au niveau du bassin de lac cest une force conjointe qui va être mise en place, n'est-ce pas, et qui va permettre aux, pays concernés de mener des opérations avec bien sûr une état-major. Bien sûr, l'effectif n'a pas été dit, on ne sait pas combien va être composé cette force mixte-là, on ne sait pas qui, où sera le quartier général, mais l'idée, la principale nouveauté, c'est que le G5 Sahel, qui est un organisme de sécurité et de développement, n'est-ce pas, euh, va cette fois-ci avoir une force militaire conjointe comme le type du, bassin de lac Tchad. Mais le plus, encore un autre, euh, quelque chose encore d'important, c'est le droit de poursuite. Parce que le droit de poursuite va permettre à ce que des bandits qui rentrent dans le territoire nigérien, qui proviennent d'un autre pays, soient poursuivis dans un autre territoire et qu'ils puissent être anéantis, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, Maman Oui, moi, <coughs> moi je vois en, cette initiative d'abord euh, une sorte de prise de conscience. Je pense que je ne me trompe pas de prise de conscience que euh, le pays, les nations ne peuvent s'organiser que dans le cadre de la lutte contre euh, le terrorismes. Euh, que sur leur propre force. Parce qu'on a vu l'expérience de la force mixte du bassin du lac Tchad pour lutter contre Boko Haram, où l'Union africaine qui a accouché, ou dans une des réunions a accouché de cette force, de, l'idée de cette force, euh, s'est prêtée à, à, une sorte de caution de l'ONU qui tardent à venir trois ans après. Aujourd'hui, Aujourd'hui, on sait que le G5 Sahel a un partenariat avec euh, l'Union européenne, avec les Nations unies et autres, organisations. Euh, mais ces Mandats tardent à venir. Mais, mais je pense que j'espère qu'ils ont tiré la leçon de la force mixte, parce qu'on a vu que dans la lutte contre le terrorisme, il y a le langage international, il y a le langage onisien qui, qui, dont les discours varient en fonction de la sphère géographique et du type du terrorisme, en Syrie par exemple et à Libye. Et on voit que pour la question du Sahel, euh, ça n'intéresse pratiquement pas la communauté internationale comme la Syrie et autres. Ça veut dire qu'ici, aussi, il faut réfléchir au pays. Il ne s'agit pas de mettre une force. Il faut réfléchir sur les moyens. Aujourd'hui, on a vu le coup. À chaque fois, nos pays concernés par la force mixte qui lutte contre Boko Haram, à chaque fois, le prétexte pour exprimer la déliquescence de la gouvernance, on nous dit que c'est les moyens qui sont orientés vers la lutte contre le terrorisme. Et je pense qu'on doit tirer les leçons. Il ne faut pas mélanger ces multiples forces à la gouvernance et attendre de, de l'extérieur qu'il y ait des moyens. Une réaction rapidement garée, Ce que je dis, je crois que les chefs d'État, lors de leur conférence de presse, ont pris en compte cette, cette dimension-là parce que ils ont la demandé. La dimension des moyens. La dimension des moyens. Ils ont demandé à ce qu'il y ait une résolution des Nations Unies. C'est la résolution qu'elle soit prise concernant cette force-là. C'est la résolution des Nations Unies qui va permettre l'arrivée des fonds. Parce que ce qui se passe dans le bassin de lac c'est que c'est les A qui payent dans leur poche. Murtala Mamadou du journal La Griffe, rapidement. Oui. 30 secondes. 15 secondes. La question des Nations Unies, oui. Mais quand je, moi, j'exprime mon inquiétude euh, quant, à l'imbrication des forces. Je fais allusion plutôt à la décision des pays de l'autorité de l'Utako Gourma de mettre en place une force. Et attention, je dis là, il y a danger s'il n'y a pas un commandement unique. Merci à tous. Euh, nous sommes au terme du forum de ce soir. Euh, je disais, nous étions avec Gary Amadou, journaliste du journal L'événement. Murtala Mamadou, journaliste au journal La Griffe et Jafar Maman du journal L'Indépendant. Merci à tous. Bonsoir.